Euh, monsieur le ministre, en Mauritanie, il y a beaucoup de Sénégalais qui s'adonnent à l'enseignement. Ils sont des enseignants et qui sont dans des écoles françaises et des écoles de renommée et qui font d'excellents résultats. parmi ces, ces, enseignants, il y a certains qui veulent revenir, mais à chaque fois, ils sont confrontés avec le problème de l'âge. Je ne sais pas maintenant dans les concours ou bien s'ils peuvent avoir des contrats pour, effectuer, pour venir vraiment aider et prêter main forte aux enseignants qui sont ici au Sénégal. Avec le déficit de, des enseignants, ils sont disposés, ils se sont regroupés en association dirigée par un, un, excellent enseignant, en l'occurrence M. John, que je salue, et du haut de cette tribune, je les rends hommage. Parce que aussi, nous, si nous sommes dans l'école, nous sommes comme répétiteurs. Si nous sommes pour les enfants vraiment nous avons d'excellents résultats Nous, nous, nous dimbali mais le problème c'est qu'on paye très cher donc nous avons une école vraiment sénégalaise côté et au Maroc aussi parce que là-bas aussi la demande est très forte la demande est très forte faut que xaw a au Sénégal aussi te mënuloo bàyyi sa doom fii dem Maroc par exemple ou wala euh, Mauritanie do xam éducation ku koy topoto éducation xam naka lay c'est vraiment loolu lu lu doy war la te buñ vraiment ngeen jàppale ñu ci donc loolu la amone ci lumay wax di la gërëm di la ci vraiment ce engagement politique à côté du président de la République ñun ñi nga xamni ño nekkon diaspora ño nekk diaspora euh, xamnañ euh, vraiment ce parcours dans la diaspora ya ko dalal Fofu, euh, mission meeting yu bari yéen ko organisé ñun ñu ngi lay suivre depuis lors donc, Monsieur le ministre, nous, en tant que vraiment euh, responsable de la DS e de Mauritanie, nous saluons vraiment nos camarades de la DS e France, avec le travail vraiment avec notre ami qui est là, euh, élu député de la France, Dembossou. Donc, nous sommes tous témoins de votre travail, de votre engagement politique. Engagement, ici, à notre niveau, nous avons le on va t'accompagner, on va te suivre, dis le Merci beaucoup. Merci.